ñun ah bu wàññeeku moom aysa bu moom dina baax si ñun trop parce que yokku bi sax arrangé wuñu waaw parce que man mii sax wàññi bi dégguma ko man mii dégguma mais maa ngi dégg ñu di ko wax mais ba léegi laaj ma bagage ci lu muy jar lu muy génne. waaw loolu loolu la def kay parce que bu mu jeex mu pare kay doo ko mën a wàññi waaw. asalaamaaleykum Serigne Fallou Diop la commerçant marché central Thiès. waaw damay wax ci waxu commerçant damay wax en tant yaakaar naa ñun produit bu wàññeeku mu ne avantage pour tous les sénégalais parce que avant commerçant ay citoyen lañ ay borom kër lañ dañuy joxe dépense comme tous les sénégalais kon yaakaar naa produit wàññeeku arrangement la ñun ñëpp loolu moom dañ koy rafetlu président bu joxee ndogal arrêté arrêté la kooku mënuñ ci dara bu fekkoon ñor ay ay 100 lu mat doon dañ koy wàññi mais euh, wàññeeku dafa nekk koo xam te si mënut a dépendre ci commerçant ñun directement parce que bagage bu muy ñëw bu ne fu ne daa am circuit bu muy jaar. muy ci importateur wala industriel bagage yakana alimentation ñaar façon ñom yo xam te ci importateur lay jóge wala ci usine lay jóge industriel bu dee industrie koku euh, ko bu bala muy am faaw usine wanyi, ñun ñu wanyi. a sank rek la wote compagnie sucrière mais ñom ni jaay sucre ni jaay sucre ba légui état taxaw ni na sucre kon lool day indi confusion entre nit ñi ak commerçant yi té dañuy jël toor yi di ko ci commerçant té commerçant ñom amuñu lén lu appliquer loi tey ministre bu joxé arrêté ni wañu ñu dañuy wañu force mais problème bi mu indi dëkk moy la rupture ni mu indi rupture moy ki nga président nee na la wàññi na te fa nga jëndee nangu ñu wañu noy def da ngay banque sa loxo baña jënd tok xaar ba question yi leer té loolu yaakaar population bi lay metti lén nak moy li am solo moy ñu éviter yoy non rupture di am ci dëkk bi wañu bu mënti am balaa lu mënti xew nañ ko wara waxtané bam ba mu leer naañ mais war ñoo jékki-jékki rek joxe ay ndogal té ñun fi ma waxee ni amaguma benn benn benn xibaar bu leer ni lii wàññeeku na wala lee wàññeeku na duñ mujj obligé dul toog xaar luñ ne jaayee lii ne loolu la ñuy jaayee mais problème mooy la ngay jëndee te jàpp naa ni man kenn du jëndee fukki dërëm di jaayee juróom buñu demee xam amuñu ndox ndogal dañuy toog bañ a jënd xaar ba lépp leer rek loolu rek moo ci nekk mais ñun amuñu problème ci affaire boobu waaw mais loolu mooy yoon xam nga te yaakaar naa mbir boo xam te si ñëpp ko bokk bala nga koo def noonu da ngaa war a woo ña bokkal nga waxtaan ci ak ñoom mais waroo jékki-jékki jël jël décision même bu woowul commerçant yi les importateurs ou les industries ne ah di lii kat lii la don jar dama bëgg ñu wañu ko di ko jaayee lii ba paré commerçant c'est c'est facile buñu jëndé jëndee dañuy appliquer mais problème mëno mënoo go xamugo lo jëndé ba paré bëgg appliquer loolu mo ci loolu ci les inconvénients li ci métti loolu rek la. bien voilà près de 3 mois plus de 3 mois qu'on était en train d'alerter parce que nous sommes des hommes de terrain nous sommes constamment sur le terrain pour vérifier les prix et pour protéger et défendre les consommateurs. Et nous le faisons vraiment de manière bénévole, sans aucune coloration politique. On ne va pas cracher dessus, certes, mais j'ose dire qu'il peut faire mieux et plus. Parce que si nous comparons les prix de 2016, c'était bien moindre que les prix actuels de 2021 et de 2022. Déjà en 2016, on avait le kilo de riz pour le demi-grossiste qui se vendait à 12 500 francs. Et on a le kilo qui se vendait à 265 francs. Présentement, on l'a ramené à 275 francs. D'accord. Il y a l'huile en fût qui nous coûtait 905 francs en 2016. En 2021, on l'avait à 1210 francs. Il y a une baisse actuellement et ça nous revient à 1100 francs le litre. Ça, c'est le riz en fût. Nous faisons toujours la nuance parce que l'autre jour, euh, lors du dernier conseil de la consommation ici à Thiès, à la gouvernance, moi j'avais dit qu'il n'y avait pas baisse, il y a stabilisation des prix. C'est-à-dire qu'on a fixé, on a bloqué les prix au niveau où ils se trouvent actuellement. C'est ça le problème. Les gens, bon, il ne faut pas très attention sur la différence entre une baisse et une stabilisation. Moi, je dis que on ne va pas cracher dessus. Il y a cette baisse de 25 francs, de 100 francs, mais nous demeurons convaincus que M. le Président de la République peut faire mieux et plus. Parce que rappelons lors de son mandat en 2012, il avait dit qu'il va baisser les produits parce que le régime libéral d'antan de Maître Ablaïwad s'était basé sur les taxes pour faire fonctionner son pays. C'est la même chose actuellement. Alors que, avec le régime socialiste, on avait une caisse de péréquation et de stabilisation des prix. Ce fonds était destiné tout simplement à stabiliser les prix. Quand il y avait hausse mondiale, on puisait de la caisse pour alimenter, euh, pour subventionner certains produits. Mais quand nous sommes dans un libéral, dans un régime libéral, bon, ça veut dire ce que cela veut dire. Mais rappelons-nous que dans notre pays, nous avons près de 90% de produits qui sont en vente libre. Parce que c'est le système libéral. Ce n'est pas politique, mais c'est la réalité du terrain. On ne va pas cracher dessus, comme j'ai dit tantôt, mais nous demeurons convaincus que si le monsieur le président de la République écoutait SOS consommateur national, on lui aurait donné des stratégies pour faire baisser les prix. Ça, nous en sommes convaincu. Parce qu'il n'y a pas seulement les prix des denrées consommables, il y a également CNO avec les factures très salées, il y a également avec les factures très salées, les gens ne comprennent pas. De toute façon, nous, nous nous attelons vraiment à tout ce que revienne à la normale. C'est notre mission de défense et de protecteur du consommateur.